forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du Messieurs, dames, euh, bonjour. Merci d'être euh, à l'écoute euh, du forum du studio Kalangou qui se déroule aujourd'hui à la Maison des Jeunes et de la Culture Adamou de Gaïa. Le thème de notre forum d'aujourd'hui porte sur l'engagement de la jeunesse de Gaïa dans le processus électoral. Quel est le rôle de la jeunesse de Gaïa dans le processus électoral Quelles sont les difficultés que rencontrent ces jeunes que faire pour améliorer l'engagement des jeunes dans le processus électoral Avec nos invités, nous tenterons d'obtenir des réponses à toutes ces questions et à bien d'autres. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir euh, ici Abdurrahman Amadou, président du Conseil départemental de la jeunesse de Gaïa. Nous avons également avec nous Abdou Zaroumei, acteur euh, politique. Avec nous également Soumela Yakouba, acteur de la société civile à Gaïa. Et notre quatrième invité, il a pour nom Suleiman Mahamadou, un jeune candidat aux élections locales. Euh, à la présentation, je suis Fadel Alou de la radio Faraa Gaïa. Bienvenue à tous au forum du studio Kalangou. La charte africaine de la jeunesse euh, exprime les droits et responsabilités des jeunes citoyens, affirmant dans son article 11 et donne à chaque jeune citoyen le droit de participer à toutes les sphères de la société et demande aux États d'encourager l'activisme des jeunes et d'assurer l'équité entre les sexes dans la représentation et la participation politique. Parmi les responsabilités, la charte cite la pleine participation à des devoirs civiques tels que le vote lors des élections et le bénévolat. Par ailleurs, l'Assemblée de l'Union africaine a déclaré les années 2009 et 2018 comme la décennie de la jeunesse africaine et a publié un plan d'action pour promouvoir l'autonomisation et le développement des jeunes à travers le continent, y compris en renforçant la représentation et la participation des jeunes citoyens dans les processus politiques. Au Niger, malgré ce contexte favorable, quelques contraintes subsistent encore. C'est autour de cela que nous allons échanger ce soir avec euh, nos invités. Et pour commencer, avec euh, vous, Abdourahmane Amadou, président du Conseil départemental de la jeunesse euh, de Gaïa, quel est le constat que vous faites au sujet de la participation politique des jeunes ici à Gaïa, que ce soit en tant que candidat ou en tant qu'électeur Ce que nous nous constatons toujours de la participation de la jeunesse au sein du processus électoral, ça se voit. À l'œil nu même, ça se voit. Et je dis ça se voit à l'œil nu pourquoi euh, je peux dire même à 90% de la politique nigérienne, c'est la jeunesse qui font ça. À 90%. Parce que c'est nous qui les utilisons au moment des, processus électoraux. Quelles que soient les activités de la politique du Niger, c'est la jeunesse qui est devant. Mais le constat que nous faisons après, après les élections, la jeunesse est laissée. Donc comme si nous, on nous utilise sans revenir, Et c'est très grave. Mais au mois des élections, au mois des campagnes, quand on prend un exemple, même euh, lors euh, des recensements, c'est la jeunesse au niveau de la distribution des cartes électeurs, c'est la jeunesse. Quand on vient au sein même de la politique, quand on commence les campagnes c'est nous, c'est la jeunesse qui est devant. C'est nous qui font tout. Je peux dire même à 60%, à 60% du, département des Gaïa des électeurs, ce sont les jeunes qui votent. À 60%. C'est la jeunesse qui font les élections dans le département de Gaïa. Voilà le constat que moi j'ai fait dans le département de Gaïa. Vous dites euh, en tant qu'électeur, il y a 60%. Euh, 60% dans le département de Gaïa, des électeurs, c'est la jeunesse. Parce que quand tu prends presque maintenant, presque tous les candidats, ce sont des jeunes. Même si c'est au niveau local, législatif et municipal tu dans tous les partis politiques aujourd'hui, hein, ce sont les jeunes qui sont les candidats. Abdou Zaroumei, vous êtes euh, un acteur politique euh, ici à Gaïa. Comment analysez-vous l'intérêt des jeunes pour euh, la politique de nos jours En effet, de plus en plus, nos jeunes s'intéressent à la politique d'aujourd'hui. Cette nouvelle attitude de nos jeunes est un changement de mentalité qui est à saluer. Il est à noter que 70% de la population de Gaïa est jeune sur les 70%, plus de 50% n'ont pas de travail. C'est pourquoi ils sont obligés d'aller dans le processus électoral pour se caser en espérant de l'endemain meilleur. Donc, on constate de plus en plus que la jeunesse embrasse la politique. Pas comme avant. Et qu'est-ce qui fait ça Il y a le chômage. En dehors du chômage, eh bien, les jeunes n'ont rien. Donc, pour euh, se faire accepter par les grands qui occupent la scène politique, il faut qu'ils adhèrent à des partis politiques. Comme vient de dire le président départemental, en effet, les jeunes, en se présentant aux différentes euh, échéances électorales, eh bien, à la fin, ils sont écartés. Même si c'est eux qui ont un pourcentage meilleur pour avoir un poste de conseiller ou un poste de député, les grands ne leur font pas cadeau. Mais je pense que ce n'est qu'un début, parce que les jeunes commencent à comprendre et je pense que ça va marcher. Prochainement, vous allez voir qu'il y aura un changement au niveau des élus, que ce soit les élus locaux ou les députés. En tout cas, il y aura un changement. Quelle est la nuance entre l'engagement des jeunes à votre époque et dans la politique et celle d'aujourd'hui À notre temps, effectivement, les jeunes sont plus engagés. Qu'est-ce qui fait cet engagement C'est parce qu'ils sont encadrés. Il y a l'encadrement qui est très important. Nous, on était des jeunes derrière des grands frères comme le feu Kakadoka, paix à son âme. Donc, c'est eux qui nous ont appris, c'est eux qui nous ont encadrés. Bon, à l'heure où on parle, il n'y a pas d'encadrement. Les, euh, les jeunes sont laissés à leur compte. Or, ils doivent être encadrés. Tant qu'ils ne sont pas encadrés, eh bien, ça ne va pas marcher. Mais même s'ils ne sont pas encadrés, eh bien, ils vont se rebeller pour pouvoir occuper les différents postes. Et quand ils occupent les différents postes, eh bien, c'est fini. Donc, ils vont s'engager fortement dans la politique. Mais euh, vous dites que les jeunes ne sont pas encadrés. Est-ce à votre époque, euh, il y avait euh, les aînés qui étaient tout le temps derrière les jeunes pour les encadrer Dans toute structure politique, il y a des postes pour la jeunesse. Il y a des secrétaires généraux qui s'occupent de la jeunesse et ces secrétaires généraux sont formés. Ça fait partie de l'encadrement. Mais maintenant, les jeunes, même s'ils occupent des postes, on n'a besoin des jeunes que pendant les élections. Après les élections, on n'a plus besoin des jeunes. C'est ça qui se passe actuellement. Merci Abdou Zaroumé. Je me tourne vers vous, Soumela Yakouba. Vous êtes acteur de la société civile à Gaïa. Vous avez écouté Ramène, euh, le président de la jeunesse de Gaïa, et également Abdou Zaroumé. Et vous, la question que je vais vous poser, quelle est la place à réserver aux jeunes dans le processus électoral ici à Gaïa bon, La place réservée aux jeunes, en principe, c'est eux qui doivent se battre pour occuper cette place-là. Et au niveau des structures politiques, les campagnes électorales commence. Quel que soit là où ils se trouvent, on fait appel à eux, on, les amadoue, on leur donne ceci, on leur donne cela, pour qu'ils puissent euh, <clears throat> aller et venir au niveau des, de la zone rurale surtout. Maintenant, comme je l'ai dit, ces jeunes-là, ils doivent se battre pour pouvoir occuper les places dans les structures politiques, comme l'ont fait les femmes. Les femmes, elles sont battues pour obtenir un certain pourcentage de, quotas au niveau des structures politiques. Pourquoi pas les jeunes Eux aussi, ils doivent le faire. Si maintenant la jeunesse se rébelle, comme l'a dit M. Zaroumé, ils disent que, ah non, au niveau des structures politiques, il nous faut tel pourcentage. Ah, si les responsables n'exécutent pas, ça veut dire que les jeunes vont se retirer et ça ne va pas marcher. Donc il faut qu'ils se battent pour occuper leur place au sein des structures politiques. Et comme ils l'ont dit, effectivement, ces jeunes-là, c'est eux qui battent le plus campagne. Et généralement, les dirigeants, ils sont là chez eux, assis. Ils envoient les jeunes à tout temps, en tout lieu. Ils vont, ils battent campagne. Maintenant, après les élections, on voit le résultat des élections. Ces jeunes-là qui ont vraiment, dans certaines zones, ils ont fait beaucoup de choses. On les écarte et on place quelqu'un à la place. Non. C'est comme je le dis et je le répète, ces jeunes-là doivent se battre. Je ne veux pas comprendre que ces jeunes-là aillent battre campagne. Ils gagnent un bon résultat et quelqu'un d'autre va prendre le résultat. Non. Qu'ils se battent, et, obligatoirement, on doit les respecter et leur laisser leur place. C'est à eux de placer, normalement, celui qu'ils ont choisi par rapport à cette zone-là. Abdou Zaroumé a parlé euh, des places réservées euh, dans tous les partis politiques pour la jeunesse. Est-ce qu'à Gaïa, au niveau des partis politiques, les gens respectent cela C'est comme il l'a dit. Dans, les, tous les bureaux, il faut, t'amuser à chercher la composition des bureaux politiques. Tu vas trouver eh, secrétaire général à la jeunesse, secrétaire Il y a au moins trois ou quatre jeunes qui s'occupent de la jeunesse. Mais malheureusement, c'est tout. On forme le bureau, c'est fini. Les gens ne font rien. Sinon, ces jeunes-là, on doit leur donner les moyens pour rassembler les jeunes-là et leur montrer c'est quoi le parti politique, qu'est-ce qu'il vise, etc., etc. Mais on fait les bureaux et puis s'essayer. On attend les élections pour lancer les jeunes dans l'aventure, parce qu'ils vont à l'aventure. Merci beaucoup, Soumaïla Yakouba. Je vais me tourner vers vous, euh, Mahamadou. Vous êtes un jeune candidat aux élections locales prochaines. Pouvez-vous nous dire hein, pourquoi avez-vous fait ce choix Nous sommes euh, effectivement un jeune politicien, un jeune qui n'a que 26 ans, un jeune qui s'est engagé, qui s'est engagé tout récemment dans une nouvelle formation politique. Nous nous sommes engagés d'abord dans, une, dans cette structure et après une longue réflexion, après une en tout cas analyse, nous avons jugé hyper utile de nous engager, de postuler aux élections municipales qui vont se dérouler bientôt, Inch'Allah, le 13 décembre. Et plusieurs choses, plusieurs raisons nous ont en tout cas eh, poussé à postuler aux élections municipales. vous savez, au Niger, la jeunesse représente plus de 70% de la jeunesse euh, de la population nigérienne. Et alors, nous avions remarqué avec désolation, avec amertume, que cette jeunesse, elle est toujours utilisée lors de ces processus électoraux. Quand vous remarquez, bien sûr, pour aller battre campagne, pour euh, aller battre campagne que ce soit en brousse ou bien dans nos villes, c'est la jeunesse. Alors, cette jeunesse qui représente plus de 70%, comme je l'avais dit, elle doit aussi engager, elle doit aussi connaître, elle doit aussi savoir qu'elle a les pleins droits, qu'elle a aussi l'opportunité de venir, en tout cas, placer sa pierre à l'édifice. Non seulement pour ce euh, ces départements ou bien pour cette commune de Gaïa, mais plutôt pour le Niger, le Niger entier nous avions eu cette initiative de venir, de changer, oui, de changer, puisqu'il est temps que nous changeons en tout cas notre mentalité. Notre mentalité, c'est de dire, c'est de sensibiliser nos jeunes, nos amis, nos camarades, qu'eux-mêmes, ils peuvent aussi postuler comme nos anciens, comme nos parents, comme nos tontons. Et J'étais très ravi et très content de voir aussi un petit frère. Vous voyez que je suis jeune et j'ai trouvé un autre jeune aussi qui est plus jeune que moi, un jeune qui n'a que 23 ans ici à Gaïa, qui est candidat aux élections municipales. Nous ne partageons pas la même formation politique, mais j'étais très content, j'étais très ravi. Cela prouve aussi que nous, les jeunes, nous sommes en train de comprendre. Et quand je pense que toute la jeunesse comprend cette technique, cette manière de faire, alors nous allons aller jusqu'au bout. Quand vous irez jusqu'au bout, une fois élu, quel changement est-ce que vous espérez apporter Le changement, c'est un changement radical. Le changement, nous allons amener un changement qu'il faut. Et aujourd'hui, quand vous êtes à air, quand vous êtes hors Gaïa, quelqu'un qui n'a jamais mis pied à Gaïa, s'il entend le nom de Gaïa, c'est-à-dire vaut mieux d'entendre le nom de Gaïa qui de venir. Et une fois élu, une fois consacré, une fois que ses rêves ou bien notre rêve soit réalisé, nous allons amener un changement. Nous allons changer Gaïa, Inch'Allah. Et Gaïa va changer. Et vous avez observé, et vous avez remarqué. Merci beaucoup, Suleiman euh, Mahamadou. Monsieur Abdou Zaroumé, vous avez écouté Suleiman euh, Mahamadou. Comment décrivez-vous l'importance de la participation des jeunes euh, du département de Gaïa dans le processus électoral Les jeunes n'étaient pas engagés, mais maintenant, on sent qu'il y a un mouvement. Et ce mouvement est dû à plusieurs causes. La première des causes, c'est le manque de travail. Les jeunes n'ont pas de travail. Et ils ont réfléchi qu'en allant dans les formations politiques, une fois que ces formations politiques trouvent leur part dans les élections municipales, législatives, eh bien, ils pensent qu'ils peuvent avoir des places. Donc beaucoup ne sont pas partis par conviction, mais c'est une obligation pour eux d'aller vers ces formations politiques. Et ce que j'avais dit, ces jeunes-là doivent s'organiser. Parce que tant qu'il n'y a pas un encadrement, ça je le répète, je reviens, l'encadrement est très important. Il faut que ces jeunes-là soient encadrés. Il faut qu'ils soient formés. C'est en ce moment qu'ils peuvent tirer bénéfice à travers des élections. Maintenant, est-ce que c'est important pour eux de participer au processus électoral ici à Gaïa C'est important, c'est très important. Comme il l'a dit, quand je prends la composition de, du bureau, si tu veux, de ceux qui sont élus comme conseillers et qui ont formé, donc, euh, qui ont élu leur maire, tout ça là, ici à Gaïa. Mais je pense qu'on n'a pas 50% qui sont instruits. Il y a d'autres qui viennent pendant des sessions, qui s'asseyent, qui ne disent rien et qui attendent la fin pour s'en aller. Or, tu es élu conseiller, tu dois participer, tu dois donner tes idées, on doit t'écouter. Avec euh, ce mouvement des jeunes qui se sont rués dans les formations, dans les structures politiques, eh bien, les conseillers, les prochains conseillers municipaux, eh bien, vous allez voir qu'il y aura une différence entre les prochains et ceux d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut. Tant qu'il n'y a pas ça, donc, il n'y aura pas de développement. D'accord, merci beaucoup Abdou Zaroumé. Euh, Soumel Yakouba, vous êtes euh, acteur euh, de la société civile à Gaïa. Quelle est la valeur ajoutée qu'on peut attendre de la participation politique des jeunes de Gaïa Moi, je me réjouis déjà de la présence de Suleiman qui est là. Et je me réjouis encore de voir que maintenant, il y a des ONG qui ne font rien que ça, encadrer la jeunesse dans le processus politique. Et je pense que ceci va amener les jeunes à s'intégrer de plus dans les structures politiques. Autrement, si nous regardons beaucoup de structures politiques que nous voyons à travers la, télévision, nous voyons vraiment qu'il y a trop de jeunes au niveau de ces structures politiques. Et je sais que ces jeunes-là, ils occupent des postes au niveau de ces structures politiques. Donc, pour nous, il faut que cette jeunesse, parce que tous les responsables politiques, tous euh, les chefs d'État, quand ils parlent, ils sont en train de préparer le terrain à la jeunesse. Euh, il, faut qu'ils le fassent réellement, préparer le terrain à la jeunesse. Vous avez parlé de charte africaine, ceci, cela. il y a tout ça dans les papiers. Mais c'est la mise en exécution qui, c'est ça qui est difficile. Très difficile. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit Les pays ont ratifié ça. La charte africaine, ceci, cela. On ratifie, mais seulement la mise en application, c'est ce qui manque. Et comme je l'ai dit et je le répète, cette jeunesse-là, il faut qu'elle lutte. Il faut qu'elle lutte pour occuper sa place. Et comme les statistiques le disent, au Niger, au moins les 70-80% de la population, c'est les jeunes. Donc il ne faut pas qu'ils se laissent faire. Il ne faut pas qu'ils se laissent faire. Oui, il faut qu'ils revendiquent leurs droits au niveau de ces structures politiques. Parce que euh, tout se, fait par les jeunes. Et les rassemblements, les meetings, euh, les campagnes électorales, tout ça c'est la jeunesse. Quand on voit, c'est la jeunesse qui le fait. Et il faudrait qu'on donne la place à la jeunesse. Le président de la jeunesse, il est témoin. Parce que moi, chaque fois, je le bouscule. Il est là. Il n'a qu'à infirmer ce que j'ai dit. Moi, je le bouscule pour que partout, qu'il y ait les jeunes, qu'il y ait les jeunes. Partout. Donc vous voyez, déjà quand il s'implique, on dit bien à l'âge de 18 ans, tu peux, euh, tu peux, être, tu peux élire. À 21 ans, tu peux être candidat. Donc il n'y a pas de raison à ce que cette jeunesse-là ne, ne, ne suive pas. C'est une loi. C'est une loi. Quand tu as 18 ans, il faut te faire inscrire pour avoir ta carte électorale. Donc tu choisis ton candidat. Tu veux être candidat, tu attends l'âge de 21 ans pour postuler. Et là aussi, il faut lutter pour pouvoir occuper cette place-là. Nous allons parler cette fois-ci des difficultés que rencontrent euh, les jeunes euh, en politique. Et c'est avec vous, Abdurrahman euh, Amadou, président du conseil départemental de la jeunesse de Gaïa. Quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes de Gaïa qui veulent s'impliquer ou qui s'impliquent dans la politique Avant de répondre à, la question, je remercie le vieux Abdou Zaroumé parce que il a parlé d'un point qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup plu. Il a eu à parler du, quota, parce qu'au Niger, il y a un quota pour les femmes et pourquoi pas un quota pour les jeunes. Pourquoi je reviens sur euh, ce qu'il a affirmé Parce que c'est quelque chose qui nous, ça nous inquiète beaucoup. Parce que si je me rappelle, on a même eu une fois à discuter là-dessus lors de nos camps nationaux des jeunes. Parce que cette année, c'est à Difa, on a fait ça tout récemment le mois passé. On est sur le point, pour le confirmer, qu'on est sur le point, on est en train de discuter, voir comment est-ce qu'on peut au moins lutter pour avoir le quota des jeunes. Merci, le vieux. À ce qui concerne la question que tu viens de me poser, Fadel, euh, le problème que nous, jeunes des Gaïa, on rencontre dans le département de Gaïa, je peux dire que comme il y, il y a ceux qui ont parlé de ça, il y a le manque d'organisation, sincèrement entre nous jeunes. Manque d'organisation. En plus, il y a le manque de choix de parti. Je m'exprime ici. Manque de choix de parti là que je viens de dire. Pourquoi je dis ça Parce que, sincèrement, c'est vrai. Hein. Dans chaque chose, aujourd'hui, je peux dire au Niger, hein, hein nous jeunes, hein, si on veut arriver au moins qu'on cohabite avec nous, il faut qu'on fasse un bon choix de parti, sincèrement. Euh, il ne suffit pas que peut-être la personne vient tout récemment, il a créé son parti et tu dis que tu vas adhérer au parti là. c'est vrai. Même si tu adhères, tu as adhéré. Quand tu déposes, tu déposes. Parce qu'on sait maintenant aujourd'hui, au Niger, hein, peut-être, hein, si tu veux adhérer, il faut au moins choisir, même si c'est quatre grandes parties. Très important. Hein. que peut-être à la fin, chacun pense qu'on peut avoir euh, quelques euh, un résultat très, très favorable. Et il y a aussi le plus grand problème, hein, sur le manque de moyens financiers. Parce que voilà pourquoi même euh, les leaders, là, à chaque fois, ils nous utilisent. Parce que c'est eux qui financent, c'est ce qu'ils mettent de leur tête. Parce que c'est eux qui financent. Maintenant, le dernier mot, ils pensent que ça, ça leur revient. Pourquoi je dis ça leur revient Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, après les campagnes, tu vas voir après les campagnes, au lieu de récompenser celui qui a fourni son effort, c'est pas ce qu'ils euh, font, les leaders là. Nos leaders, même nos leaders, hein. ils savent très bien que peut-être, je prends un exemple, Aujourd'hui, quand on nous dit d'aller battre campagne entre moi et le vieux Soumaïla, à la fin, à la fin, même si j'amène 10 000 voix dans le département de Gaïa, et que lui, le vieux, il amène 5 000 voix dans le département de, euh, le département de Gaïa, tu vas voir que peut-être celui qui occupe le place le plus important que moi, il ne nous récompense pas de notre travail, de ce qu'on est en train de fournir comme travail. Dans chaque départ, dans chaque commune, si on essaie de s'organiser, dans chaque commune, on peut avoir le plus nombre, hein, des conseillers municipaux, même, les députés, même les, élections et législatives là. Si euh, on s'organise entre nous, les jeunes, dans le département des gars, on peut avoir plus de, députés jeunes. Dans chaque parti, on est un peu dispersé. Et qu'est-ce qu'on peut gagner Et tu sais très bien quand dans le parti, là où tu es là, peut-être tu, ne gagnes rien. Donc quand on forme une bloc là entre nous, les jeunes, hein, dans le département des Gaïa, qu'ils veulent ou pas, ils seront obligés de cohabiter et d'écouter ce que nous, on va décider comme dernier mot. Abdou Zaroumé. Quels sont les autres euh, obstacles qui freinent euh, les jeunes Des obstacles que Abdourahman euh, n'a pas cités, bien sûr. Bien, je crois qu'il a cité un bon nombre d'obstacles. Mais l'obstacle le plus important, selon ma vision, c'est d'abord le manque de moyens. Tu ne peux pas être candidat à un poste électoral et ouvrir les yeux sur quelqu'un qui va te financer cette campagne. S'il te finance cette campagne, donc il y a son effort. Et son effort est supérieur à ton effort, parce que c'est lui qui a financé. Et c'est ça le problème des jeunes. Il y a le manque de formation, il y a l'encadrement qui manque aussi. Tout ça réuni, c'est ça qui diminue la force des jeunes. Mhm. Merci Abdou Zaroumé. Soumela Yakouba, vous avez écouté les deux intervenants sur euh, les obstacles que rencontrent les jeunes euh, qui s'engagent en politique. Que pensez-vous de ça Effectivement, on ne peut pas aller battre campagne sans, sans, finances. Et ce que je dirais à la jeunesse au niveau des structures politiques, comme je l'ai dit, hein, comme, dit, comme nous l'avons dit tous ici, en tout cas au niveau des partis, des structures politiques, en tout cas au moins, on peut avoir 60 à 70% de la jeunesse au niveau des structures politiques. Alors, comme l'a dit M. Zaroumé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne financer ta campagne. Ce n'est pas un mois, deux mois de l'élection qui va dire ah, où est-ce qu'on peut trouver de l'argent. Non. Ces jeunes-là, il n'y a rien que la, cotisation qu'ils cotisent entre eux. Vous allez voir, au bout de cinq ans, ils vont mobiliser suffisamment d'argent, suffisamment de moyens financiers pour leur permettre de battre campagne. Donc ils n'ont pas besoin de trouver un leader politique pour dire Ah, nous avons besoin de ceci. Non, qu'ils fassent eux-mêmes leur compte et vous allez voir que S'ils le font, moi, je suis certain qu'au bout de cinq ans, on peut mobiliser beaucoup de sous. Si évidemment ces sous ne sont pas détournés. Merci Soumaïla Yakouba. Suleiman <coughs> euh, Amadou, euh, Mahamadou plutôt, vous êtes euh, candidat aux élections locales. Comment vous vous êtes battu pour être candidat avant, de répondre à cette question, j'aimerais donner un peu d'éclaircissement. J'ai écouté mon cher tonton Zaroumé avec beaucoup d'intérêt. Au niveau de notre parti, et nous en tant que jeunes, en tant que aussi secrétaire à la jeunesse euh, de la commune de Gaïa, euh, nous nous sommes engagés avec euh, beaucoup de détermination. Nous nous sommes engagés avec beaucoup d'abnégation. Nous nous sommes aussi engagés avec beaucoup de conviction pour pouvoir relever ces défis. Pour répondre à votre question, comment nous nous sommes bâtis, en tout cas pour être candidats, nous nous sommes bâtis corps et âme. Nous nous sommes bâtis avec beaucoup de courage. Nous nous sommes battus nuit comme jour et nous sommes en train de continuer ce combat de la dignité, de la prospérité, avec euh, beaucoup d'abnégation pour pouvoir relever ces défis. Inch'Allah. quels sont les obstacles que vous avez dû affronter Les obstacles, euh, ils sont nombreux, multiples et multiformes. Vous savez, dans la vie, il faut affronter les obstacles. Et la facilité rend l'homme, en tout cas, pas réussi. Les grands obstacles aujourd'hui, c'est que nos anciens ont vraiment eh, gâté le terrain politique. Pourquoi je dis ça Aujourd'hui, vous avez rencontré un ancien, quelqu'un qui est plus âgé même que ton propre père, qui a plus de 50 ans, plus de 45 ans. Tu vas venir chez lui, tu vas venir devant lui pour euh, lui dire, euh, pour lui parler de la politique. Un tel, je me suis engagé dans la politique et je vais me présenter en tant que candidat aux élections municipales. La première des choses, vous avez entendre un ancien, lui qui devrait te donner des conseils, lui qui devrait, en tout cas, te montrer les voies et moyens, la première des choses, il va te dire, est-ce qu'il y a des manger Est-ce que tu vas me payer pour pouvoir te voter Et alors, je pense que ça, c'est en tout cas un système qu'il faut bannir. Nous avions en tout cas remarqué tant de problèmes, mais par la grâce d'Allah, surtout au niveau des dépôts de dossiers. En tant que jeune, c'est pour la première fois que nous nous sommes engagés dans une affaire politique. Donc on dit que tout débit n'est pas facile. Donc tout début n'est pas aisé. Ça a été un peu difficile, mais comme c'est un travail collectif avec les autres membres, avec l'implication euh, implication de tous, nous avons pu gérer le problème, nous avons pu déposer nos dossiers dans les meilleures conditions. Est-ce euh, la difficulté de réunir tous les papiers qu'il faut ou quelle difficulté Oui, c'est-à-dire le fait de la composition même des dossiers. Hmm. Par exemple, maintenant, avec cette situation de loi de finances, et une fois légalisé un papier, il faut forcément mettre les timbres. Et vous avez constaté, parmi nous, il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a ceux qui ignorent euh, cette loi. Donc, vous voyez, le fait même de mettre les timbres, il faut qu'on sensibilise les autres. Et Dieu merci, nous, on a compris et en même temps, on a géré le problème. Uh-huh. D'accord. Merci. Euh, euh, président du conseil départemental euh, de la jeunesse euh, de Gaïa. Vous voulez répondre tout à l'heure. Je suppose que c'est juste pour donner quelques éclaircissements. S'il ne pas fait un choix de parti, mais j'ai mis l'intérêt, l'intérêt collectif de la jeunesse de Gaïa en jeu. Et j'ai parlé de peut-être si on a une bonne collaboration. D'accord. Abdourahman Amadou, nous allons à présent à la dernière partie de ce forum sur les pistes de solutions. Soumela Yakuba, vous êtes euh, acteur de la société civile à Gaïa. Euh, êtes-vous engagé aux côtés des jeunes dans le but de les encadrer à s'intéresser à la politique, puisque ici tout le monde est unanime euh, sur la formation et l'encadrement des, jeunes Oui, <coughs> je peux dire que je suis beaucoup même engagé. Parce que présentement, il y en a des jeunes qui me trouvent à la maison pour me parler de politique. Et moi, je les oriente. Et comme je l'ai dit ici tout à l'heure, je, je, leur dis, il faut vous battre pour occuper votre place au sein de la structure politique. Et comme je l'ai dit aussi, il est là. Lui, chaque fois, je le bouscule pour qu'il pousse les jeunes à chercher à, à occuper leur place dans les structures politiques. Il n'y a pas longtemps, il y a une structure politique qui était à Réunion. Ils m'ont appelé. Moi, je leur dis ce que je pense, et surtout par rapport à la jeunesse. Je dis, n'attendez pas, préparez vos, vos dossiers, déposez-les. Si toutefois ils ont été acceptés, vous vous engagez, vous battez campagne comme tout le monde. En tout cas, moi, tout celui qui me sollicite. Une question pour vous quatre, pour tout le monde. quels sont les principaux moyens qui peuvent permettre d'assurer une meilleure implication des jeunes euh, de Gaïa dans la politique Je commence avec vous, euh, Abdou Zaroumen. Je reviens d'abord en arrière sur euh, les échanges que le président du conseil départemental a eu avec le candidat que le militant soit du nouveau parti ou qu'il soit de l'ancien parti, pourvu qu'il défende l'intérêt du département de Gaïa, l'intérêt de la jeunesse, l'intérêt des différentes communes. C'est cette précision que je voulais apporter. Par ailleurs, la jeunesse de Gaïa a une structure, il y a un bureau. Ce n'est pas un bureau politique, c'est un bureau de la jeunesse de Gaïa. Et ce bureau-là, c'est à lui de voir comment rassembler tous les jeunes, comment encadrer tous ces jeunes sans pour autant toucher leur formation politique. Comment les encadrer, comment les toucher pour que ces jeunes-là puissent avoir à l'esprit qu'ils sont là pour défendre l'intérêt du département de guerre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Quelles actions ils doivent entreprendre C'est ça le plus important. Vous êtes de tel parti politique, vous êtes jeune, vous avez effectivement votre plan, ce que vous devez faire quand vous serez élu, un autre, il a la même chose. À la fin, dès que vous êtes élu, vous devez donc enlever cette robe politique et vous réunir pour pouvoir défendre les intérêts de la commune et faire avancer le département pour qu'il y ait un changement, pour que tout le monde puisse effectivement goûter à la paix, à la sécurité, ainsi de suite. Abdourahmane euh, Amadou, président du conseil départemental euh, de la jeunesse de Gaïa, qu'est-ce que vous pouvez ajouter Moi, ici, tout ce que je peux ajouter, c'est l'encouragement de la jeunesse. Pourquoi je dis si j'ai a pas d'encouragement de la jeunesse Parce que à chaque fois, hein, on nous décevoir. À la fin des campagnes, hein, quand on mène les campagnes, au lieu qu'ils nous récompensent, ils nous récompensent, non. Voilà ce qui, maintenant, il y a bon nombre de jeunes, quand tu les parles de la politique, ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps pour la politique. Ils n'ont pas le temps pour la politique parce que, comme le vieux l'a dit tout à l'heure là, ils ont parlé de moyens. Et je n'ai pas voulu revenir là-dessus et je reviens là-dessus, c'est une obligation pour moi. Quand on me parle aujourd'hui, en tant que moi jeune, si je peux le dire, en tant que jeune étudiant, et on me dit d'aller me débrouiller pour avoir quelque chose financière pour battre les campagnes, ouf, Sur les bancs Comment est-ce que je peux le voir Et où En tant qu'étudiant ce n'est euh, pas, une question de moyens financiers. Mais aujourd'hui, en tant qu'MV ici, s'il a les moyens plus que moi, il peut m'appuyer. Et ils savent très bien que le travail que j'allais battre, ce n'est pas pour moi seul quoi qu'en soit, c'est lui, il doit me financer. Mais à la fin, ils savent très bien que peut-être c'est pas pour moi seul que je veux battre le travail là. Donc, voyez, Et à chaque fois, on dit que l'avenir de ce pays là, ça se trouve dans la main de la jeunesse. Et je dis non. Et pourquoi je dis non, Fadel Et il faut nous apprendre des bas âges. comment est-ce qu'il faut gérer un pays. Est-ce qu'ils le font Je me tourne vers vous, à Yacouba. Vous, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à tout ce que ces deux précédents intervenants viennent de dire ah, Merci. <clears throat> S'il si, peut battre campagne, ça veut dire qu'il appartient à une structure politique, n'est-ce pas Sauf s'il est candidat indépendant. Il n'a pas les moyens, là je peux Ici, on parle de l'engagement dans les structures politiques. Et moi, j'insiste encore. J'ai dit, au niveau de ces structures politiques-là, si on impose une cotisation qu'elles soient mensuelles, trimestrielles ou bien annuelles, les fonds là. Et j'ai bien dit que les élections, elles se passent tous les cinq ans, sauf si par après, il y a un changement. Au bout de ces cinq ans-là, on arriverait à mobiliser suffisamment de ressources pour permettre de battre les campagnes. Mais ce ne sont pas tous les militants qui sont candidats. Si nous prenons le cas de la structure de Gaïa, je pense qu'il y a combien de, de de conseils qu'il faut élire Je pense 18. Au niveau de la structure politique, on choisit les 18 candidats. Mais c'est dans ces fonds-là qu'il faut battre campagne pour tous les 18 candidats. Merci beaucoup, Soumela Yakouba. Je vais finir euh, avec euh, vous, Souleymane euh, Amadou. Vous, quels sont les principaux moyens qui peuvent permettre d'assurer une meilleure implication des jeunes de Gaïa dans la politique je pense que euh, mes deux tontons et mon frère Abdurrahman, ils ont déjà euh, tout donné, ils ont en tout cas expliqué. Moi, je ne fais qu'augmenter ce qu'il euh, vient de dire. Donc, les principaux moyens qui peuvent permettre d'assurer une meilleure implication des jeunes dégâts dans la politique n'est rien d'autre que la formation. Comme l'avait dit Tonton, il y a la formation qui manque, la sensibilisation. Et nous, en tant qu'acteurs, euh, nouvellement en tout cas engagés, nous allons nous mettre euh, aux côtés de nos anciens pour apprendre afin d'aller en tout cas envers les autres qui n'ont pas en tout cas effectué leur entrée politique pour que nous puissions en tout cas les motiver, les amener et nous puissions en tout cas travailler ensemble. Puisque, comme je l'avais dit, euh, au débit euh, la jeunesse euh, nigérienne représente plus de 70%, mais cette jeunesse est bafouillée, elle est écartée. Presque tout le monde parle de manque de formation, manque de formation. Moi, je peux dire non. Pourquoi je dis non Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on a un comportement hein, différent des autres. Pourquoi Parce que c'est pas le manque. Un ancien, c'est pas à lui aujourd'hui de t'appeler, hein, dire qu'un tel, viens, je, vais te donner peut-être euh, une formation. Non, nos comportements là que maintenant, on ne peut pas nous orienter envers les, anciens pour au moins accueillir euh, de connaissances politiques. Ce C'est pas parce qu'il n'y a pas de la formation, mais c'est à nous d'aller, de se diriger envers les anciens. Est-ce qu'on le fasse Non. Et quand on parle de formation, moi ici à Gaïa même, combien de fois il y a des projets aujourd'hui presque partout au Niger. Même tout récemment, à Dosso, on a, on a fait une formation. Le département des Gaïa, on a pris 10 personnes. Le Conseil de la jeunesse, la société civile, si vous vous rappelez, je crois, l'association euh, des musulmans, côté des femmes, je crois, on était au nombre euh, de, de 10 personnes. Et la formation, c'est sur euh, le processus électoral. On a l'habitude de m'appeler, demander au moins de, trouver 30 jeunes. 30 jeunes. Dès que j'ai fait la liste des 30 jeunes là, hein, c'est à eux de se déplacer pour venir ici à Gaïa pour faire la formation. Mais partout là où tu pars, tu fais la proposition et ils te demandent est-ce qu'il y a quelque chose dedans. Quand tu parles à la personne qu'il a une formation, il faut qu'il te demande d'abord, après la formation, est-ce qu'on est qu'on va les payer Alors que c'est à toi de, payer les formateurs-là. Parce que c'est eux qui amènent la connaissance, eux qui vont te donner la connaissance. Et maintenant, tu dis à la fin, est-ce qu'ils vont te donner quelque chose Je te le jure, hein, je n'ai pas eu la liste des 30, des gens-là. Et j'étais obligé d'aller faire la formation-là à Douti, je me rappelle. Dans les structures politiques, il y a beaucoup qui ignorent même le contenu des documents des partis politiques. C'est ça, c'est ça que, nous disons. Parce que dans chaque parti a ses idéaux. Qu'est-ce qu'on vise dans ce parti-là Où est-ce qu'on va, aller C'est ça qui manque. C'est comme les documents, la constitution, le code électoral. On le fait, mais il n'y a pas de vulgarisation. Les gens ne connaissent pas réellement le contenu, par exemple, du code électoral qui a été modifié il n'y a, a, pas longtemps. Mais les gens ne connaissent réellement pas tout le contenu. Sinon, si on vulgarise les différents textes, là, les gens arrivent, arriveront quand même à comprendre quelque chose. Par on parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. C'est les droits de l'homme qu'on entend, mais quel est ton droit Tu l'ignores. Donc, c'est au sein des formations politiques que nous disons les responsables de ces partis politiques-là, de temps en temps, qu'ils forment les militants pour les amener à comprendre où on va. Mhm. C'est ça que nous disons. D'accord, merci euh, beaucoup Soumaila Yacouba. Euh, merci à tous nos invités. Euh, c'est la fin de ce forum du jour qui a porté sur l'engagement de la jeunesse de Gaïa dans le processus électoral. Nous avons parlé au cours de cette émission le rôle de la jeunesse de Gaïa dans le processus électoral, les difficultés et nous avons également souligné que 60 à 70% des jeunes s'impliquent que ce soit dans la campagne campagne électorale et également au niveau euh, des élections. Merci à vous tous. Merci d'abord euh, à vous, Monsieur Abdourahman Amadou, président du Conseil départemental de la jeunesse de Gaïa. Merci. Merci Abdou Zaroumé, acteur euh, politique. Merci à vous. Soumela Yacouba, vous, vous êtes acteur de la société civile à Gaïa. Merci à vous. Merci également à vous, Suleiman Mahamadou, jeune candidat aux élections locales. Merci à tous nos auditeurs. À la présentation, je suis Fadel de la radio Fara'a le forum du forum du forum du forum du forum du du forum du forum du forum forum di studio kalam le forum di studio kalam le forum di studio kalam